Les activités prévues au cours de la présente commémoration permettront, je le souhaite, de relancer le secteur du tourisme au Niger en général et dans la région des fleuves en particulier, qui fut jadis le premier pôle d'attraction touristique au Niger.